asalaamaaleykum euh, mbokk internet yu suivre seen chaîne de télévision Wanema TV ak tamit yu suivre seen site internet Wanema info euh, tey tey dañ fi ñëwaat tey ci wàllu politique ak tamit ci wàllu actualité société dafa benn émission bu bees am benn gan bu bees gan bu nga xam ni ci langue politique bi euh, jógee fee ci parti politique bu ñu wooyee grand parti nga xam ni suñu mbokk malika ko moo ko jiite nekk tamit responsable au niveau de Dakar au niveau des Parcelles Assainies ñu koy wax Pape Diakhaté Pape Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la fii ci Wanema TV. maa ngi leen di fay euh, monsieur Fall di leen euh, gërëm di leen remercier aussi ci opportunité bi ngeen ma offrir ma mën a jàkkaloog askan bi mën a waxtaan ak ñoom ci tolluwaayu réew mi ak euh, li réew mi dund askanu Sénégal di remercier personnel ma fekk yëpp aussi di leen sant bon maa ngi tudd Pape Diakhaté nekk environnementaliste di administrer benn société boo xam ne dafa spécialisé wu ci déchets d'hydrocarbures Euh, ça, c'est sur le plan professionnel, sur le plan politique. Je suis un membre du Grand Parti depuis sa création. Parce que le Grand Parti a eu son récépissé, Grand Parti nous récépissé au mois d'août 2015. J'étais là, j'étais là-bas. Donc, je suis un membre fondateur du Grand Parti. Je suis membre de la convention des cadres du Grand Parti et euh, du bureau politique aussi du Grand Parti. En Grand Parti, derrière le président Malik Gapou de ko saluer au passage aussi de saluer tous les responsables et militants du parti de saluer aussi Parcelles Assainies ba nga xam ni fa laa jógee euh, di saluer sama beaucoup leader ya fa nekk yëpp xam ni actuellement nii ñu ngi fay taxawal yu am solo di di gërëm aussi askanu Parcelles Assainies ci seen taxawaay. jërëjëf euh, sëñ Diakhaté comme ni ngeen ko déggee rek euh, moom waa opposition bi la te opposition bi ni nga ko xamee ci waa langue politique bi temps yi kii di président Macky Sall mu ngi leen di néewal doole gannaaw bu ñu waxee mburoog soow. ñu ngi wax Gloria kon est-ce que gis temps yi Macky Sall na lu baax ñun opposition bi. Euh, waaye nag loolu luñ ciy euh, luñ ciy wax du war a mën a bari ndax euh, je crois que Macky Sall askanu Sénégal découvrir nañu ces jeux ndax man tout de même c'est un as des slogans Macky Sall fi nekk nii réew mi sax ci ci boppam la ñu gouvernetul la gouvernetul ba tax na ay kondu na ko dese jàpp nañu ne.

Euh, ñu ngi naan bi ñu fiy jógee mu ngi euh, ñaata la coalition Idy 2019 bi nga xam dañ moo wax naan coalition triple XL 20 pour la amoon ci électorat bi avant bon ce sera une longue histoire duma dellu si ci Idriss Seck la mu représenté au Sénégal ak tout dernièrement euh, manque de popularité bi nga xam ne ba nit ñi sax yóbboon ko retraite politique mu ñëw am coalition boobu président Malik Gakou jiite woon liggéey bi comme na mu jiite woon liggéey bi maa ngi koo taxawu Sénégal ci référendum bi wii noo bi

parce que c'était c'était des personnes générales yoo xam ne ñu ngi suñu biir nous ne savons pas comment s'en débarrasser Macky Sall nous a aidé nous a débarrassé de cette ordure ñoo xam ne ba ñuy dem aussi yóbbuñu kenn ñoom rek ñoo dem ñoo demal seen cëggal bopp mais base bi ñu ngi waat ci askanu opposition bi toog kon lañu gëmoon ñu gëm ko lañ doon xeex aussi ñu ko ne di le président Macky Sall wax loolu dafa ne moom 20 pour cent yu ak 50 kii 58 pour cent yi su ko boolee nee na da ngay xaar yoon bi dem am troisième mandat de. <laughs> instant yii boobu troisième mandat. yow bu amee jàngat tuuti. Uh-huh. xool li fi xewoon tout dernièrement au mois de mars. au mois de mars ñii naan Sonko ñii naan mais au mois de mars c'était pas Sonko c'était la frustration populaire qui avait explosé moom bu amoon jàngat ci loolu man moo dama naan luy jóge nañ ci mais malheureusement lañ ci waroon tirer ci ay leçons ak ay enseignement defuñu ko ndax bu ko ci tirer woon ci crois que moom tey am na beneen taxawaay boo xam ne moom la war a mën taxaw ci réew bi taxaw ci jafe-jafe askan bi nga xam ne ñu ngi koy dund fi mu nekk nii. Je ci xool ay saafara ba ci tout dernièrement mbënd mi nga xam ni ngi plus de 700 milliards 700 milliards booy c'est presque le quart du budget national du Sénégal Nous injecté ko ci benn benn problème boo peut-être mën naa ne touché de la population qu'est-ce que ça veut dire gestion gabegique du pouvoir gestion solitaire gestion une gestion vagabonde du pouvoir malheureusement c'est ce qui se passe alors que loolu askan bi xam nañ ko moo taxoon ñu jub mais comprendre ñu euh, euh, euh, nañ dem nag li ci kanam moom comme que jàpp na ne par exemple ñooñu amuñu góobeel léegi nañ dem ba ci kanam ñu soxla ce qui va se passer. mais est ce que tamit léegi nekkul tamit yéen Macky Sall yéen a koy doon yéen waa opposition bi seen division xii na ko ŋaay bu tey ñu ne yeewu askan bi bu subaa Bougane ne xam moo ànd ak coalition Bougane bu tey ñu ne coalition Abdoulaye Wade est ce que division opposition boobu taxul moo gën a may Macky Sall doole loolu waaw xam politique euh, moo tëddee non politique c'est des coalitions qui se nouent qui se fait qui se font et et qui se qui se qui se yu euh, aussi euh, malheureusement c'est ça la politique l'idéal l'idéal actuellement c'était que ñun ñëpp ñu ànd dans le projet te aussi le jéem nañ ci ndax même boo xoolee coalition Yewwi Askan bon bon y a eu beaucoup y a eu beaucoup de remous am na ñu génn Thierno Bocoum génn def sortie am na Bougane aussi def na sortie ci da nga xam ni la forme forme bi nga xam ne moom la ñu tënkee moom la ñu tënkee coalition boobu mais man jàpp naa ni loolu gis na xëy na peut être noonu noonu noonu la waroon demee léegi nag bu ñu demee waa PDS dem nañu nee gis ñu ci seen bopp ci ni ñu tëggee coalition bi créé nañu seen coalition am na ñoo xam ne ñoom jotuñ sax dugg mais ñoom ñoom ak le gars de Thiès TAS Thierno Alassane Sall ñoom it créé nañu seen seen coalition mais daal li ci am solo lépp bu dee ñett ñeenti coalition ñoo doon jàkkaarloog askan bi aussi man jàpp naa ne loolu du am solo li am solo dëgg mooy xam nañ ne askanu Sénégal am suur nañu coalition bi xam moom la ñu àndal ba tax na même bu dee fukki coalition ñoo jàkkaarloo moom aussi ñu ñëw véritablement de pas de problème pour buter sa coal toute sa coalition d'or. ah président Macky moom nee na moom di tooñ maa ngi fàttaliku janvier su ma mundaje que la messe avait été cantée ma que au passage mune grand parti yeen ne yeen do len grand parti mom moy grand parti <laughs> benno bokk yakam grand parti yeen petit parti yeen lo nga tontu lol yeen yeen wa petit parti ah mais non mom dañ koy considérer xam nga mom mom mom moteur en serre la quoi mom gis nañu bakku na fi sa bakku mbeur fañi fañi fañi bi mom mom mom lol ko il est comme ça damay rappeler Ousmane Tawadien dem ci yalla ci yalla nako yalla yeureum amin amin euh élection 2007 presque clôture bi ñu ko fekkee yaraax coordination bu yaraax boobu invité woon ko quoi euh, mu naan élection yi ça passe ça casse selon ces dernières élections parce que le parti socialiste regorge énormément de cadres talentueux yoo xam dañ leen war a war a ñu émerger mais mu naan euh, mais seen politique bi Euh, Wade bu demee dañ ko namm de il était parce qu'il il est tellement rigolo. alors de fu mu taxaw moom ñuy reetaanloo mais aussi Macky Sall man foofu laa ko jàppee quoi dama ne comme que ces derniers balbutiements euh, euh, nii rek la mën a taxawaay bi rek la mën a taxawee quoi moom it xam naa ni comme que day dem en 2024 moom dinañ ko namm dinañ ko namm trop surtout surtout yu ñu tàmmal fan yi quoi euh, mais jàppal ne grand parti moom bu nee petit parti la pourquoi bu intéressé wu ci petit parti def na lu tout pour que ñu ñëw jàppale ko au sein de la mouvance présidentielle il nous a promis moins de, merveilles mais comment vous ma la expliqué ça non euh, Gakou je crois que tout dernièrement il a fait une petite télévision de la place je ne vais pas nommer mais il a été il a été très clair Gakou parcours et position n'y a pas de problème. Gakou occupé le poste Maintenant, peut-être les deux rats, trois ministres sénégalais ont xam démissionné sans pression sociale Gakou tu la là ndax a au niveau du ministère du commerce am ci politique sociale yu bari yoo xam ni jubóowu euh, ci woon ak Abdou Mbaye premier ministre de l'époque ak Macky Sall mais il a purement et simplement jeté l'éponge ba ma ñëwee toog këram ñuy waxtaan ma ak moom ma ne ko président pourquoi vous avez démissionné mu ne ma Pape askanu Sénégal ñoo ma tax dugg ci gouvernement su ma demee ba la may yëngatu gis naa ne askanu Sénégal mënatuñ ci gis seen bopp je préfère delloo leen ni seen i lenge lañ ma jox lépp. ma dellu si waat ci biir askanu Sénégal ànd ak askanu Sénégal ñu continuer combat bi ba may am moyens moyens yoo xam ni dinaa mën a taxaw askanu Sénégal dama bëggee taxaw askanu Sénégal kon euh, nga jàpp ne ñun euh, euh, amuñu benn intérêt ci ànd ak Macky Sall te président Malick Gakou aussi taxawaay bi yëpp wane na ko nee naa la coalition yi fi am référendum jaar législative jaar élection présidentielle yëpp mag président Malick Gakou était au devant ñu am lu ñu ko xamee aussi Sénégal muy un de président Malick Gakou boo ko waxee ni ñu njëkk wax social lool rek la xam même avant ça mu lancé wu dans la dans la scène politique c'est quelqu'un qui faisait énormément de social bari na ay étudiants yoo xam ni dañ dal ñeu am problème de bourse et réglait les problèmes sans même les voir ay étudiants yu ñëw am problème mu delluwaat en Europe def seen étude mu passé leen ñu dellu jël ay gosses formé yóbbu leen à l'étranger étranger formé leen delloo ci waat leen je crois que lool ku koy def bañu mu gës a réew loolu koy def bu yow yaay dugg ci ay combine la ñu jàppale ki nañu xool ni ñu naxee askan bi nekku ci considération yooyu quoi c'est un vrai un vrai patriote qui aime son pays qui aime son peuple et qui est là toujours pour défendre les intérêts populaires de euh, askanu Sénégal. Mawla bi aussi Aliou Sall solo ko Guédiawaye Aliou Sall je crois que actuellement ku xool li xew Guédiawaye xam ne Aliou Sall pare na Guédiawaye bon effectivement def nañu moom aussi commune bu ne moom doxandoon na d' euh, abord Guédiawaye ndax Aliou Sall il n' est pas originaire de Guédiawaye Aliou Sall bu mu bëggee falu maire Guédiawaye la ñëw. très rapidement ut fa résidence ut fa kër bu mu dëkk dëkk Guédiawaye euh, loolu yàggul. loolu di échec Gakou tamit. waaw xam nga xam nga Gakou euh, mën naa ne du échec am ndax xam nga parti dafa nekkoon ci parti politique ñu naan ko AFP moo de parti coalition ñu nekk ci coalition coalition aussi am seen am charte am seen i réalité ndax tey comme coalition yi yi ñu tënk nii war a dem ci élection locale yi am na charte boo xam ne moo tënk coalition bi. tey mën nañ dem ba ci biir ñu ne localité bi kat comme Saint comme Saint-Louis Cheikh Bamba Dièye moo fa nekk en pole position koo xam ne yaakaar nañ ne war na mën di jiite ndar kon opposition bi ñëpp jàppale Cheikh Bamba Dièye dooleel ko ndax mu changé ka fa nekk ñu def ko jeneen beneen gox beneen gox beneen gox mais man boo ma jëlee ma ndar war naa mën a am problème moo tax coalition il faut ñuy il faut ñuy agir ci yooyu yooyu peut am na nag ñu koy jàppee peut-être favoritisme alors que c'est pas ça réalisme réalité et réalisme politique quoi euh, gàppu le mu nekkee AFP euh, je crois que réalisme politique boobu moo nous nous, euh, yóbbuwoon fa Aliou Aliou parce que instant boobu Macky Sall insisté sur sur sur ça et que comme était même s'il n'était pas d'accord, il était obligé de respecter euh, les disciplines du parti de l'AFP dont il était il était membre mais ça me ça ça regret ndax l'erreur qu'il a commis c'est que devait consulter sa, sa, base, la population. Ce garon nous démissionne de l'AFP, ce qu'il a fait plus tard, nous donnons l'AFP. Mais bon, aussi, docteur Moussa respecter l'AFP, respectez les directives de l'AFP, c'est une posture bobu. Le Aloussa, le maire Gagaway, effectivement, il en a beaucoup contribué. Mais je vous assure que Aloussa le Taï, totalement vomi, entièrement vomi. Moi, un petit peu, je sais que

inscription est déjà xam nga un état bo ou un état un état bandit bo xam ni dara opposition bi to opposition aussi aussi ci mais taxaw taxaw na ndax déjà tak bu cinq semaines pour les révisions sur les listes électorales déjà ça pose problème le délai est très court hein. deux ñu les primo votants qui n'ont pas de carte d'identité ne peuvent pas s'inscrire ce qui est aberrant, ce qui est véritablement une injustice. Là, un Sénégalais, pur sang, qui aura la majorité le 23 janvier 2022, même, si, même par son extrait de naissance, il devrait pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Ça, euh, nous allons, ce qui s'est passé en 2019, en 2019, plus de 800 000 votants, plus votants, on les avait empêchés de voter. Ce qui, ce qui va se passer aussi pour ces prochaines élections. Des, des milliers de primo-votants ne vont pas voter des centaines de milliers ne vont pas voter euh, pour ces, ces, prochaines élections à cause de euh, l'injustice, l'injustice qui a été, établie pour les barrer la route. Euh, donc il y a ça. Mais à part ça, grosso modo, on a essayé quand même de sensibiliser parce qu'il y avait des commissions qu'on avait, qu'on avait montées pour sensibiliser les gens. Parce que même il n'y <coughs> avait pas une, bonne communication. Excusez-moi. Il n'y avait pas une bonne communication. Même Bougal qui a essayé même de faire une communication pour sensibiliser, vous voyez l'arrêté qui a été produit. effectivement. Effectivement. Alors que ça, c'était le rôle de, de, de, nos gouvernants, de l'État, qui devait sensibiliser la population, la jeunesse à aller s'inscrire. Mais comme qu'ils savent que la jeunesse a, dans, à 100% leur entièrement tourné le dos, la jeunesse ne va, ne vont jamais voter. La jeunesse ne, va jamais voter pour Maxal. Ils vont les barrer la route, ils ne vont pas accepter que ces jeunes s'inscrivent pour leur compliquer la tâche. Donc ces jeunes sont complètement, on les a bloqués, mais n'empêche qu'on a, nous on a fait le maximum à notre niveau. Au passage, on a fait des tournées de sensibilisation. Au niveau aussi du département Dakar que pour le Grand Parti, on a fait des tournées de sensibilisation. On a même pris des gens qu'on a, amenés chercher une certificat de résidence, on les a amenés dans les commissions d'inscription, en on a fait, on a fait un travail comme même que nous jugeons. Ah, il y a euh, aussi le problème, comme vous l'avez souligné, comme nous avons nous souligné tu vois le résidence. Mm-hmm. nous euh, est-ce que y mairie bien sûr mais quand même qu'on a réglé parce que ah. aussi il y a un sous-préfet très responsable très responsable et travail et très patriotique euh, on a discuté avec lui quand on a constaté mm, certains, manquements au niveau de cette commission. Et il a automatiquement réagi. Bon, euh, les choses sont redevenues dans l'ordre. Quand au passé, on n'a pas reçu trop, de problèmes. Il y a quelques chefs de quartier qui avaient quelques réticences délivrées, mais ça aussi, parce que là aussi, nous étions en veille. Nous étions en veille, nous, effectivement, nous n'avons pas aussi laissé certaines choses perdurer, parce que parce que c'est véritablement notre fief et nous, et nous nous connaissons entre nous est-ce que y a un sax qui est-ce que candidat élection locale qui passe à xam Il faut ngeen militer euh, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure je suis candidat à la candidature comme comme je vous ai dit parce que je n'ai pas le droit de déclarer ma candidature ici parce que nous sommes dans une coalition. Et qui dit coalition dit que les membres qui sont dans cette coalition, dans cette coalition sont déjà dit dans cette coalition. Et je dois respecter mes collègues aussi, euh, qui sont dans la coalition. Parce que nous sommes en train de travailler ensemble, de mettre des choses sur pied ensemble pour pouvoir arriver à une dynamique unitaire qui puisse nous permettre de changer ce qui est actuellement au passé de Et pour cela, il va falloir qu'on réunisse toutes nos forces. Mais si, si aujourd'hui, ici, je déclare ma candidature, un autre là-bas déclare sa candidature, je crois que nous allons fausser le débat. Maintenant, la charte que nous, que nous avons établie dans la coalition au niveau local, c'est d'aller au moment opportun. Les candidats à la candidature vont se désigner et nous allons essayer par consensus de trouver une solution. S'il y a possibilité de trouver une solution par consensus, il n'y a pas de problème. Sinon, je crois que euh, nous irons par vote, si ça peut régler le problème. Sinon, la commission nationale euh, chargée des litiges euh, de la coalition Yahoo va, va agir pour nous trouver une solution acceptable par, par tous ce cadre, est-ce que vous, ne craignez pas euh, des, frustrations ou à des sanctions Bon, euh, des frustrations peuvent ne pas manquer. Mm, ça dépend de l'ampleur aussi de, ces frustrations. Parce que, comme je vous ai dit, il y a, un y leaders qui sont dans la coalition. Et tout le monde a la capacité, a les prérogatives aussi, et a l'ambition et la volonté de diriger la commune. Nous sommes plus de 10 leaders qui peuvent diriger la commune. Maintenant, euh, si on doit choisir un parmi eux, forcément ça va, ça va poser problème. Peut-être même les, tous les leaders peuvent se rendre derrière lui, démocratiquement, mais la base, par exemple, moi j'ai des militants, par exemple, s'ils ne me voient pas candidat à la mairie, ils disent que non, moi je travaille derrière pas pour qu'il soit maire, mais je ne travaille pas derrière lui pour qu'il se rende derrière un autre. Ça, c'est des réalités aussi qu'on rencontre sur le terrain. Et mais je crois que quelle que soit euh, la frustration, le degré sera, sera moyen de quoi Sera gérable. Maintenant, en tant que Marcelo, en tant qu'opposant, quel bilan, tirez-vous de, la gestion du maire Quel bilan tirez de qui gestion Moussa Assi je, le salue au passage, c'est un ami, Moussa. Mais je crois qu'il a fini son temps. Moussa, Moussa a fini son temps. Parce que quelqu'un qui avait près de trois mandats, les gosses qui étaient nés à l'époque, Aujourd'hui, presque, ils vont avoir la bague, ils vont aller à l'université. Je crois que ça, c'est vraiment suivre un peu une gestion d'un poste électif. Euh, Moussa, il y a un manque d'infrastructures au niveau des parcelles. Moussa, aujourd'hui, s'il réunissait tous les experts pour, établir son bilan, je crois qu'il aurait des difficultés. Ils auront des difficultés, notamment pour lui faire un bilan élogieux, un bilan acceptable, un bilan qui le faire réunir au niveau des parcelles. Pendant presque 15 ans, 15 ans de règne, je crois que ça, ça pose problème au niveau des parcelles. Parcelles, il y a des problèmes partout au niveau des parcelles, au niveau de l'assainissement, au niveau des infrastructures, au niveau de la formation. Parcelles, comme disait un, ami l'autre jour, est un dortoir. Et ce qui est vraiment inacceptable, parce qui est à, 15 minutes, 10 minutes du centre-ville, notamment ne devrait pas euh, être dans cette situation actuelle pour laquelle nous avons véritablement d'autres ambitions pour les passer se Mais l'actuel maire, Moussa est un ami, mais je crois qu'il a fini son temps euh, et il doit véritablement dégager la prochaine. Et même, et même euh, euh, ses, nouveaux amis, c'est-à-dire la nouvelle coalition qu'il a intégrée, même ces nouveaux amis ne lui font pas confiance. Oui, même eux ne lui font pas confiance. Même eux ne lui font pas confiance. Bien sûr, à chaque fois tu entends un responsable sortir pour dire que si le président choisit Moussa si, moi, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais à contre, courant euh, de cette décision. C'est vous le connaissez euh, Moussa, en tout cas, il a, il a, fini son temps et je lui demande solennellement, solennellement, de, de, de, de, ne même pas participer à ces élections. Moussa ne doit même pas participer à ces élections pour ne pas, pour ne pas être ridicule. Parce que d'une manière ou d'une autre, il va quitter la mairie euh, le 23 janvier 2022 espérons qu'il vous, attend vous Donc aussi, bon, si on est toujours passé à Sydney donc il y, a, la coalition Yévaskan donc vous faites partie. Donc comment ça passe la coordination là-bas oh, La coalition... Est-ce que tout, tout marche ah, Bien sûr, bien sûr. La coalition, Bon, euh, je salue mes autres, mes autres amis qui sont dans d'autres coalitions, mais c'est la coalition la plus crédible, hein, ça, ça, ça, ça j'ose le dire. C'est pas que je suis dans cette coalition, mais regardez toutes ces formations qui sont dans, dans, dans cette coalition. Euh, euh PASTEF, PUR, euh, Tahoe, Sénégal, Grand Parti, d'ETEFAL c'est vraiment des gens engagés qui sont dans cette coalition, des gens qui veulent totalement le changement, des gens qui ne cherchent pas euh, monter des combines à gauche, à droite. Il y a des gens qui disent que c'est une coalition contre, contre, nature. Bon, euh, ça aussi, il faut véritablement que les gens savent s'adapter. Parce qu'actuellement, euh, euh, la mondialisation actuellement nous impose d'autres comportements. Il y a même la mondialisation actuellement dit imposée. À l'époque, il y avait les courants, il y avait le marxisme, il y avait le, libéralisme, mais actuellement, c'est les réalités actuellement, c'est les réalités qui tiennent. Actuellement, il faut voir euh, la demande sociale, voir les voies et moyens pour satisfaire la demande sociale euh, euh, nous, ces courants, ces nous sont, en porte-à-faux avec, avec euh, la manière de vivre des Sénégalais. Raison pour laquelle je ne peux pas dire de coalition contre nature, mais je veux dire des gens dont le dénominateur commun est de satisfaire la souffrance de trouver des voies et pour régler le problème des Sénégalais. Et je, crois que ce dénominateur commun enlève ou bien nettoie toute forme de, de, de courant ou bien d'autres considérations qui peuvent venir terminer à ça, sont tous nus par changer ce qu'actuellement euh, euh, le peuple sénégalais est en train de vivre d'injustice et de, difficultés. Donc, parlons des difficultés des Sénégalais. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle euh, la cherté de la vie, mhm. le loyer et tout ça. Donc, il y a même des marches qui sont programmées, tout ça. Donc, vous, en tant que leader politique, vous le comment jugez-vous cette, cette, cherté de la vie-là Quand on a un gouvernement qui tâtonne, quand on a un gouvernement qui n'est pas prévoyant, gouvernement c'est prévoir. Nous savons que tous, depuis deux ans, nous vivons une pandémie qui est là. Et tous les grands producteurs actuellement ont été euh, gravement affectés par la pandémie. cest à que le niveau de production a complètement diminué à travers le monde. Et euh, qui dit, euh, quand, la, demande est plus forte que l'offre, euh, il y aura un impérativement surenchère. Et ça, c'est normal. Il y aura une spéculation. Ce qui se passe réellement sur le marché. Euh, le Sénégal a beaucoup de potentialités. Le Sénégal a l'eau partout. Le Sénégal a des terres à perte de vue. Mais malheureusement, on a, on a, on a, une succession de gouvernements qui n'ont pas véritablement une vision pour développer ce pays. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans se nourrir. Il faut une autosuffisance alimentaire pour pouvoir développer un pays. Et il n'y a pas quelques euh, véritablement qui, qui, à... Et, pourtant, c'est des solutions qui ne sont pas très compliquées parce que les conditions, les conditions, il y a, y a les conditions qui sont réunies. Il y a les paramètres qui sont là. La population sénégalaise est à plus de 60, je peux dire même 70%. Donc, il y a l'eau, il y a la, terre. Mais donc, qu'est-ce qui nous manque Il nous manque une, euh, euh, une volonté politique pour amener les infrastructures euh, euh, mécaniques nécessaires pour pouvoir faire travailler ces jeunes et mettre les conditions et les encadrer pour arriver à une autosuffisance alimentaire. Et je vais vous donner une anecdote. Hier, je suis avec un ami, on parlait des, statistiques de Khelkom. Il me dit que si le Sénégal avait 10 Khelkom, 10 Khelkom, le Sénégal va se nourrir. Le Sénégal a une autosuffisance alimentaire. Comment faire pour avoir 10 Khelkom Mais il faut une volonté politique. Il faut euh, un gouvernement qui encourage sa population, qui encadre sa population. Mais malheureusement, au Sénégal, tu, sais, il y a les étrangers qui, actuellement, qui cultivent le pomme de terre, qui cultivent d'autres produits, et qui sont favorisés. Et même les taxes, ils ne payent même pas correctement les taxes. Ils ont exonéré sur obligation. Alors que toi, Sénégalais, tu, tu, tu, tu, viens avec tes capitaux pour investir dans ce pays, tu as toutes les difficultés du monde. Alors que l'étranger, il n'y a que si les gens qui vont, ils savent ce que je dis. Il y a qu'au Sénégal où l'étranger est, plus roi que, les nationaux. Ça, ça se passe au Sénégal. L'étranger qui vient au Sénégal, il est plus roi que moi qui suis sénégalais. On lui donne énormément de facilité. Il est plus, plus facile pour lui ici dans ce pays que moi qui suis né ici, grandi ici, et fait mes études au Sénégal, qui a tout fait ici. C'est malheureusement ce genre de pays que nous avons, c'est de, ces, dirigeants que nous, qui, actuellement au Sénégal. Il il y a des programmes comme ces programmes pour aider les jeunes, est-ce que, aussi l'information, ça passe au niveau des jeunes Non, non, seulement ça, mais il y a d'autres considérations. S'ils disent véritablement pour aider les jeunes, euh, faites faire votre petite enquête pour voir combien de jeunes ils ont aidé et quels sont ces jeunes aussi qui vont aider. Tu sais que la politique a tout gâté au Sénégal. Et le Sénégal ne se développera, ne se développera jamais tant qu'on n'a pas un, président qui met de côté la politique, véritablement pour euh, pouvoir, pour regarder le peuple sénégalais, les aspirations du peuple sénégalais, la, la volonté du peuple sénégalais pour servir véritablement le Sénégal. Tant qu'on n'aura pas ce genre de président, le pays sera toujours dans cette euh, situation auquel nous vivons jusqu'à maintenant. Si on reste toujours aussi, merci M. Charles, si on reste toujours dans ce, on va terminer avec ça, dans, dans ce problème de cherté de la vie, il y a, il y a, il y a des mouvements comme Yolang ou comme Frappe, donc, euh, qui devaient manifester aujourd'hui, mais malheureusement le préfet a interdit la manifestation Est-ce une bonne idée Est-ce que ça ne va pas hmm. créer ça, d'autres Ça, c'est pas nouvelle. Ça, c'est pas nouvelle. Vous savez, depuis que Macky Sall est là, je crois que si 10 demandes d'autorisation, alors qu'on ne devait même pas demander l'autorisation de, de, manifester ça, c'est un droit constitutionnel. Mais si 10 demandes, il, pas, on n'a pas autorisé deux à trois demandes. À chaque fois, on cherche un alibi, euh, garantir la sécurité publique, risque, risque de troubles bah, publics, à l'ordre public, ainsi de suite. À chaque fois, le préfet, le préfet a des alibis qu'il nous met devant. Maintenant, euh, les Sénégalais sont arrivés à un niveau tel que ils ne vont plus accepter euh, qu'on leur euh, prive leur, liberté qu'ils ont acquis des lutte farouches. Actuellement, il y a eu beaucoup de sacrifices qu'on a eu à faire dans le passé. Le cas où Diop est là, toujours fraîche dans les mémoires, et d'autres cas sont là. Et ça, ça ne doit pas rester impuni, ça ne doit pas rester lettre morte. Ça, ça doit servir quelque chose. On doit défendre ces acquis démocratiques. Bien que ceux qui sont en face de nous font tout pour bafouiller, et ils sont en train de le faire, de bafouiller ces acquis. Mais nous devons aussi, nous, mener ce combat et pour préserver ces acquis. Et dans ce cadre, je félicite aussi Guy Marissagna, parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire dans ce domaine. Bien qu'on avait interdit sa marche, mais il a tenu à... Ce qui, ce qu'il était en train de dénoncer, la cherté de la vie. Mais la, vie est chère pour moi, et pour le sous-préfet, pour tout le monde. Parce que tout ce que nous, achetons, les prix sont les mêmes. Avec le prix avec lequel j'achète, c'est avec ce prix que le sous-préfet, euh, que, le gendarme, et que le procureur. Eux tous, ils sont, ils, sont ici ils sont ici de ce pays, ils sont dans ce pays. Mais malheureusement, c'est juste pour d'appuyer les acquis démocrates et ça noter les gens manifester librement leur mécontentement. Toujours la force qu'ils utilisent pour mater, pour euh, apporter la répression, la force qu'ils utilisent, je peux dire qu'un dixième de cette force peut encadrer une manifestation. Mais il préfère mobiliser toute la police et la gendarmerie, avec toute l'armada qu'ils ont, pour casser l'opposition, pour casser les manifestations, alors que ça, je crois que c'est révolu. Les gens sont prêts à tout, notamment pour défendre les acquis démocratiques que nous avons menés jusque-là. Ah, merci, M. Nous sommes au terme de cette émission. Mm-hmm. Donc, quels sont vos derniers mots c'est moi, c'est moi, qui vous remercie de cette opportunité que vous avez, offerte. J'espère que la discussion a été productive. Maintenant, je termine juste en lançant un appel aux populations parcelloises. Euh, nous sommes à leur côté. Euh, nous sommes très sensibles des conditions actuellement. Vous avez les, les, tous les les inondations, ce qui s'est passé au niveau des parcelles. Nous sommes totalement sensibles de tous ces problèmes. Et nous voulons véritablement une nouvelle direction au niveau des parcelles pour apporter le maximum de solutions sur tous les problèmes actuellement que nous sommes en train de vivre là-bas. Euh, je, vous remercie, je vous remercie, je remercie toute l'équipe aussi qui a participé à la réalisation de cette émission. Et euh, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir dans notre plateau, M. Diarraté. Donc, nous vous remercions de votre euh, présence. Donc, on remercie aussi euh, les membres donc, de l'équipe technique, Goné, Malik, donc, qui sont à la manette. Donc, nous vous remercions et remercions les téléspectateurs et euh, tous les auditeurs, qui, aussi tous les internautes qui nous suivent sur Wanema TV et nous suivent sur notre site internet Wanema Info.